Mais qu'est-ce qu'on peut Du moment où les autorités euh, chargées de la régulation du vote, ils ont autorisé les gens à aller voter, donc euh, on ne peut pas euh, respecter les mesures de distanciation sociale ici, avec tout cet attroupement un peu partout au niveau de chaque bureau de vote. Vous-même, vous le constatez, les gens sont regroupés et c'est rare même de voir quelqu'un qui a une bavette. Il y a le gouvernement qui a dit de porter des bavettes. Donc, euh, moi, à cause de ça, j'ai pris l'engagement de porter bavette. Je porte bavette au moment de la prière et puis quand je dans le public.